Euh, Salam alaikum wa Salam alaikum chers téléspectateurs alaikum le monde de la lutte Salam alaykum les amateurs de la diaspora Salam alaikum CNG les amateurs les lutteurs en activité les anciens lutteurs les arbitres de Niyep de Nuyou, nuyu les di dîner qui les bu baax a baax a baax di ñaanal suñu yaay ak suñu baay yal na leen yàlla kawe <clears throat> na suuf kaw bu euh, douzième numéro avec Jacques euh, Albert euh, dimanche le 7 janvier 2024 euh, Wabari Production ñu voté aux arènes de Grand Yoff avec une mise de 1 million de francs CFA animation ba Maudo Maudo magique l'enfant de Gangay, et Weyma Nekon, Nefato Adam Adama l'enfant de Kaulak. euh, est euh, ju ah, animation franchement amateur, nous sommes un peu en masse euh, oui, que nous tout dit, mais seulement les lutteurs gros groupes tax nous wax am ñu parce que on a constaté la présence de euh, Libidor bu la présence de toubakota c'est le vainqueur la présence de boyan la présence de Bougan, et tant d'autres nous hein, ñoo franchement ben ñu avons euh, mais nous na ñu bëri donc nous félicitons au passage toubakota le vainqueur du tournoi nous encourageons aussi bu baax Boy le vaincu de l'encourager encourager de aussi féliciter bu tout Toubacouta la lutte c'est comme ça lamb là la euh, en matière de lutte il y a plus de match donc il y aura forcément il y aura un vainqueur D'abord, un vainqueur donc euh, le vainqueur du jour c'est de Toubacouta loolu la dogal lola la yàlla donc loolu la yàlla aussi ne Toubacouta mooy jël lamb euh, donc lamb par production Toubacouta moo au détriment de Boy donc ñu euh, ngi félicité bu baax tous les lutteurs en activité franchement de leen Bobar bu baax aussi Bari production et de Bari tout en entier ñu ngi leen di parce que l'ambiance ji neexoon na lamb ji neex na animation bi am seulement liñ ci mën a constaté mooy que euh, ji nekkoon ci kaw noonu nga ne dafa tëddoon ci kaw bar bi na xaw ci wéru euh, ba policier bi ko yir ko wàcc ko ci souf loolu lañ ci mëna wax parce que émission bi aussi le ko tax a jóg li nga xamante gis nañ ko ci tournoi mu anormal ak mu normal parce que ñun

ki nga xamante ne doo nekk sa ginnaaw di jël vidéo am na noo jegee taxaw da ngay yàq vidéo am ni nga xamante mooy mbëri aussi bëri di lagat ni ñu lagatee dañoo war a jël di benn côté bàyyi devanture caméra yi bu baax parce que ñoom aussi dañuy soxla yenn say loolu bu ñu togee bu ñu dem ci lamb dañuy préféré tëgg tëdd seen te tëdd seen kaw lal di seetaan les TV TV di seetaan vidéo yi donc vidéo nag bu nekkul qualité aussi dañ koy zappé dem ci feneen moo tax loolu dañ ko war a sóoraale les amateurs ni ñuy jàlle ci kanamu caméra yi mbër yi ak les war a deewal compréhension bu dee arbitre bi nag man benn atu laa parce que arbitre bi fekkente ne yow seetaan nga sa combat nga xam ne yaa te di sa kaw laal di ko faay boo xam ne def nga ko war nga ko mën a rectifier faay boobu doo doota ko donc ñoom nañu sóoraale di jonkan bay jonkan sax dafa war a ku demee nga xamante ne franchement doo gêner caméraman bi waaw du force nag du exigence mais lu ñaan la rek li ñaan la nañuy jàppale euh, di aussi euh, di demee côté bi nga xamantene franchement dañu la xol bu baax ci boobu aussi nañu nañu dippalé nañu dimbalé les les les TVTV nga xamantene franchement day mën di organiser l'ancienne à ce que les lutteurs duñu bàggante ci kanam caméra bi amateur aussi duñu bàggante ci kanam caméra bi TVTV aussi nañu rester serein di góorgóorlu di jàppalante sen bir di jàppalante aussi amateur booy jël mbër mi nga xamanteni ne day dugg si nga jonkan ci suuf nga bañ a ki nga xam dafa dagg bi 5000 francs pour seetaan si nga taxaw ci kanam bi nga xamanteni ne dugg mi sax du ko mëna jël té amna ño xamanteni xamante ne dugg si mbër yi kess kese kese kese kese moo la indi ci lamb amna ño xamanteni teug mo la indi moy amina ambiance bi donc kon franchement lolu la responsabilité tout à fait partagée nañu ku nekk dafa am part de responsabilité bi nga xam mom moom nga ciy joué xam nga TV yi kenn seetaanu TV TV yi mbëri la ñuy seetaan si donc fekk mbëri la ñuy si aussi nañ def te sëtëga ki nga xam ne dafa dagg bi cinq mille am mën na gis bu baax parce que looloo ko tax a looloo ko tax a jóg te comme ni ma ko waxee rek dafa am loo xamante ne dugg si moo leen neex dugg si mbari yi ñi tëgg mi ñi bëre bi ñi ambiance moo leen indi donc franchement loolu yëpp dañ ko war di sóoraale

il faut nga jóg dem taxaw ci kanamam pour lan ah mais amul sens nañu organiser suñu biir ñun TVTV loolu nag wax jooju nag TVTV ko moom de nañu organiser nga xamante ne Grand Yoff buñ gerte boo installé sa caméra fi nga toog ngay toog jël mbër mi dugg si en bonne et due forme te doo gêner kenn fi nga toog ngay toog rek zoom sa téléphone jël ko normal te doo gêner kenn mais ñëpp buñ bëggee dem toog ak euh, distance bi ni Grand Yoff xatee

Euh, du ken génnetul léegi woykat mais noonu aussi la wara démé par rapport ak ni jëlé jëlee mbër mom euh, dama koy ñaan nak le président Mamadou Ndour muy Codé Dieye borom Ngelm ak TV su fekkente né vidéo bi si une fois que dugg ci nopam na jëm organiser ci biir groupe bi Grand Yoff fiñu tok nañ fa tok di jël di jël normal les les entrées des lutteurs baña jog baña déranger ken loolu mëna nek sans problème. acca sen émission Njoktoor la woon euh, ñu ñëwaleen ci annonce lamb annonce lamb Bari Production le 7 b encore le 14 janvier au terrain euh, Galgui de Hariala avec une mise de 3 millions animation ba Paolo lay et Mbayang Loum euh, fils de Mbayang fils de Mbayang c'est un confrère là. le 10 euh, février le 10 février à Escale avec une mise de 1 million toujours c'est le duo Paolo Mbayang Bir Bir TV c'est un consort là. Euh, Lambo TV TV là, hein, TV le 13 janvier avec une mise de 1 500 en deux catégories poids léger 500 000 poids lourd 1 million drapeau Cheikh ça. sale, oui. waaw woykat ma nag je suis nag Ndeye mais franchement, je ne franchement pas am kuy tëgg mais Ndeye Fatou euh, Lambo, le euh, woy lamb Ndefleng de Gagué hein, du 26 au 27 janvier avec une mise de 8 bœufs plus 100 000 francs Euh, Loum lay ak le duo morgom bengloum Sama Production Ma production c'est l'enfant de Ndak l'enfant de Mbour l'enfant de Gandiaye du 19 au 20 janvier 2024 en Ndak Souf Ndak Gandiaye c'est le qui est près de Gandiaye en allant sur Diaoulé avec une mise de 7 bœufs et 53 000 francs c'est la mise totale 7 bœufs 53 000 francs 53 000 francs euh, animation ba euh, Maodo ak deux deux bœufs ak 18 000 Pour lourd 5 euh, bœufs ak 35 000 francs donc euh, les lutteurs retenez cette date là hein. les anciens goulards de film là à hein. Djerna le 21, du 21 au 22 janvier avec une mise totale de 1 500. Ahmed Babougar moo fay 1 500 deux catégories lay Jax euh, production le 4 février le 4 février dafa faire euh, une campagne électorale bi jusqu'au 28 28 janvier au terrain galga, avec une mise de 4 millions C'est la première mise c'est la première grande mise de cette année 4 millions. première grande mise de cette année donc c'est une note à ne pas manquer animation c'est le duo Momo mbengloum association euh, Jomnyal. association Ndiomnial nag ah, du 13 au 14 janvier avec une mise de 1 500 en deux catégories Diab ak Mbenglum production euh, d'après après le 24 décembre à Grand Yoff mu ngi aussi à Thiaré Ndial production Thiaré Ndial le 27 janvier avec une mise de 8 bœufs plus 200 000 francs Mbenglum moo fay nekk ak euh, nos honorables leaders de Gossas au terrain. Euh, poste de hein. le 27 euh, janvier la donne avec une mise de 1 million animation ba l'enfant de Bordeaux et Yafat Diagne sum production boobu le campement de woon euh, lamb afim lamb le 3 millions le 11 janvier hein, janvier 2024 Nous avons toujours rek ci annonce lamb association jamono de Djerna hein, du 14 au 18 janvier avec une mise de 1 million de francs CFA et Benbeuf Benenak, benn nag fayam ma Ndinefal, l'enfant de Djilas. a Djilas toujours, Sargal Djangilas le, du 2 au 3 mars avec une mise de 1 500 en deux catégories Mbayang ak Mauro, le gaucher le magique ASC Baobab de Mbouloum du 16 au 17 janvier avec une mise totale de 5 bœufs 25 000 francs 2 sacs de riz un sac de 50 et un sac de 25 Mbayang et Lambe, lamb à l'arène Gorsidan, du 9 au 11 février avec une mise totale de 2 800 000 lu Yakanem, Palo près de Ganyay, du 11 au 14 janvier jotaguñu mise bi mise, mais après dañ de dellusiwaat Gamboul aussi c'est du 18 au 21 janvier Chombi Sinyane. Chombi Sinyane, du président Mbengom, du 24 au 27 janvier poids lourd c'est 700 000 poids léger 450 000 raw 250 000 poussière 100 000 francs Momongom, ak Fatou Yengele c'est côté Dia hein. Yengele c'est vers Dia Fofoula, la du 1er au 3 février il y programme bi programme, Mizio, Yoyup, après nañ see dellusiwaat du 1er au 4 février Metsop du 8 au 10 février Khalambas 4 Khalambas 4, 1 2 3 4 Kalambas 4 du 8 au 10 février euh, 11 février du 8 au 11 février. Et du 15 au 17 février. Moi aussi, c'est du 22 au 24 euh, février. C'est une émission Docteur Lawon avec Ndiak Albert, petit 13e numéro, du voir les internautes. Ni abonnés, qui sont abonnés, de les féliciter, franchement, de les encourager, de les voir que nous avons partage. Euh, aimé leen vidéo yi di partager les vidéos ci groupe yi ngeen partager ko Facebook ak Instagram ak euh, le groupe yi ngeen di aussi di ñaanal euh, ñi nga xamanté abonné yépp ñaanal yalla fay di wax aussi ñi gul franchement abonné len abonné vous ci mbini TV c'est la chaîne leader franchement vous franchement le leer ma fa am mbini Yalane TV abonné len ngeen aimé di partager seen émission Njoktoor be ci 13e numéro